Merci de rester en notre compagnie. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou, 18h15 minutes. Place à présent au forum du studio Kalangou. Vous le, savez désormais, les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingue et Niamey. Un très ravi, fidèles auditeurs, de vous retrouver ce jeudi 4 août 2016 pour ce spécial numéro du Forum de Studio Kalangou qui parlera en long et en large de culture au Niger et notamment de ce ministère de la Renaissance culturelle des arts et de la modernisation sociale qui a été confié à Asmana Malam Issa, un nouveau ministère qui succède au ministère de la culture des arts et loisirs. Pourquoi cette nouvelle appellation ou nouveaux concepts, la notion de modernisation sociale n'est-elle pas loin de notre réalité Comment ce nouveau ministère va-t-il arriver à atteindre ses objectifs À quoi sert la culture dans un pays comme le Niger confronté à tant de défis Vous êtes nombreux à vous poser ces questions, les réponses dans un instant. Au micro Diallo Mariama Kenda, je reçois pour vous deux illustres invités. Euh, Monsieur, dames, bonsoir. Il est avec nous dans ce studio. Lui, c'est le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation un à Asmana Malam Issa. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir fait le déplacement au studio Kalangou. Je vous en prie. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Le président du réseau des journalistes culturels du Niger est aussi présent, Moussa Hamani. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Nous mettons le pied dans le plat de cette émission avec la réaction de certains citoyens. Nous les avons interrogés ce matin au sujet du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. On les écoute. La renaissance culturelle, à mon sens, ce n'est pas tant euh, une nouvelle façon de tambouriner pour nous, mais surtout une autre façon de créer un Nigérien nouveau. Voyez-vous, la renaissance culturelle, pour moi, c'est de créer les conditions, de faire en sorte que le peuple nigérien comprenne la nécessité qu'il a de redorer le blason de ses valeurs culturelles anciennes. Il faudrait que les Nigériens euh, comprennent qu'il nous faut nous débarrasser de nos préjugés, n'est-ce pas, et de notre et faiblesses pour vraiment tendre vers l'universel. C'est-à-dire que nous devrons prendre des autres nations ce qui est le meilleur mélangé à notre culture pour faire en sorte que notre culture aille de l'avant. En fait, la renaissance culturelle pour moi, c'est créer les conditions pour que les générations actuelles, en changeant de comportement, elles-mêmes puissent créer les conditions pour que les générations futures puissent vivre dans un Niger eh, fiable et pérenne. Euh, nous, notre compréhension d'abord euh, de ce ministère, quand on dit renaissance, cela voudrait dire que indirectement, il y avait, il y avait un échec, euh, on est mal parti donc il faut repartir une fois de plus. Je pense que c'est cela. La culture, c'est notre identité. D'aucuns définissent la culture comme ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Donc nous supposons que le fait de se donner pour une renaissance culturelle, donc c'est une très bonne chose euh, qu'on peut encourager, de ne pas faire ça euh, d'une manière formelle, c'est-à-dire dans les discours. Donc, euh, il faut faire ça dans les actes. Vous attendez donc beaucoup, beaucoup de ce ministère de, de la Renaissance culturelle. Bon, si vraiment on dit la Renaissance culturelle et qu'on a même créé un ministère pour cette fin, je pense qu'il doit quand même faire preuve et il doit quand même justifier sa création. Et la seule chose qui va justifier sa création, à mon sens, c'est le fait de montrer en réalité que nous, au Niger, nous avons une culture propre à nous et qui lui les ministères il constitue le canal par lequel nous allons afficher notre culture. Je pense que c'est quand il va faire cela qu'il va quand même justifier son existence. Euh, c'était là la réaction de quelques citoyens donc au sujet euh, de ce nouveau ministère, le ministère euh, de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale. Monsieur le ministre, vous venez d'entendre ces Nigériens. La Renaissance culturelle, c'est quoi Merci, Madame Diallo. Permettez que je salue les auditeurs de, Studio Kalangu Permettez aussi que je revienne un peu en arrière parce que j'ai beaucoup aimé lorsque vous avez appelé le nom de mon département d'origine, vous avez dit Filingue. Effectivement, c'est presque la belle appellation parce que nous, là-bas, on dit Hilingue. Et ça, je veux dire que quelque part, c'est des éléments que vous avez fait ressurgir de la culture qui permettent euh, que qu'on ne francise pas les appellations de nos villages, les appellations de nos communes, les appellations de nos départements et éventuellement de, des chefs-lieux de région. Ça fait partie des choses qu'il faudrait faire euh, ramener à la surface à travers la renaissance culturelle qui, euh, je vous ai entendu au début parler de concept. Certains parlent de fait de mode. Bon, c'est permis à ce stade-là que les différentes euh, connotations puissent euh, être données à la renaissance culturelle. Mais c'est beaucoup plus une vision. Une vision d'un leader, une vision d'un homme d'État, une vision d'un système qui a choisi de donner euh, à la culture nigérienne le rôle qu'elle devrait avoir et qu'elle a presque toujours eu de, tout temps et que la culture a toujours eu dans tous les pays qui ont voulu assurer leur décollage socio-économique. C'est une vision euh, qui se traduit effectivement par la création de ce ministère qui devrait euh, en substance s'appuyer sur la culture, lui donner euh, un certain essor, lui donner une certaine brillance et faire en sorte qu'elle puisse porter le message de tout un changement de mentalité, de tout un changement de comportement euh, en vue de faire du citoyen nigérien un citoyen qui, qui, qui, a confiance en lui. Vous avez bien suivi le message à la nation du président de la République le 2 août passé. Il s'agit pour nous de travailler pour que le citoyen nigérien puisse être un citoyen conscient qui va se départir d'État, qui va se départir d'un certain nombre de comportements inciviques en vue de contribuer à l'atteinte d'une société moderne nigérienne. Monsieur le ministre, on pourrait donc parler d'un projet de réforme euh, il ne s'agit pas d'un projet de réforme. on ne peut pas dire que c'est un projet de réforme dès lors que nous sommes de plein pied dans les actions. Nous sommes en train de vouloir euh, euh, traduire euh, toute une philosophie qui a été portée par le président de la République de tout temps qu'il a été candidat. Il a prôné le changement de mentalité. Ça avait commencé en 99, mais c'est beaucoup plus en 2011, avant son élection, que le président a juger euh, indispensable le recours à des changements de comportement, à des changements de mentalité, pour que nous changions nos conceptions vis-à-vis d'un certain nombre de, de choses, d'un certain nombre de valeurs, que nous changions nos conceptions vis-à-vis de, de, de, la République, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de ses biens et vis-à-vis de devoirs que nous avons en tant que citoyens pour euh, le développement de notre pays. Donc, quelle contribution pouvons-nous apporter Et je crois que c'est en ce sens que euh, nous allons tous contribuer à la renaissance culturelle en se disant que ce qu'on a toujours fait en tout cas dans un passé récent, n'est pas forcément les euh, le bon comportement, ce ne sont pas les bonnes habitudes et il va falloir euh, révolutionner un peu nos attitudes et nos comportements. Et, cela veut dire que tout ce qui est euh, corruption, vous savez très bien qu'aujourd'hui, malgré les avancées qu'on a eues dans le domaine de la lutte contre la corruption, malgré les avancées qu'on a eues dans le, le retour à l'orthodoxie, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine et nous devrons nous dire que quand on vous confie un bien de l'État, c'est un bien de l'État, c'est un bien collectif et que vous ne devez pas le traiter et l'utiliser comme votre propre bien. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais cela veut dire également que euh, on doit reconnaître euh, dans le passé, à travers le passé, au Niger, une certaine, euh, j'allais dire, euh, mise en avant, une certaine promotion des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles, des valeurs comportementales qui faisait que le Niger était fier dans toute la sous-région. On n'avait pas honte à se dire déclarer nigérien dans n'importe quelle communauté au, monde et cela avait malheureusement disparu avec le temps. Nous estimons que c'était quelque chose de bien, il ne faudrait pas l'oublier, il faut peut-être faire recours à cela pour que nous puissions avancer vers le progrès. Euh, je me tourne vers Moussa Amani, le président du réseau des journalistes culturelle du Niger. Je rappelle que ce réseau a été créé en septembre 2014. Vous avez certainement travaillé avec l'ancien ministère. Euh, quelles, étaient, étaient selon vous les forces et les faiblesses du ministère de la Culture, des Arts et des, Loisirs Et avant ça, comment percevez-vous ce nouveau ministère voilà, merci beaucoup euh, Marie pour nous avoir invités euh, au studio Kalangou. Et donc, euh, je rappelle que notre réseau, le réseau des journalistes culturels du Niger, a vu le jour, euh, comme vous l'avez dit, en, euh, en, 2014. Il y a deux ans de cela, c'est une jeune organisation. Et c'était né suite à, à la sortie, j'allais dire, d'un atelier de formation organisé par le ministère en charge de la culture à l'époque. C'était Ousmane Abdou qui était le ministre. Euh, ça a réuni un atelier qui a réuni les journalistes euh, euh, de la presse publique et privée. Alors c'est à l'issue de cet atelier qu'ils nous ont demandé de créer un réseau. Alors tout de suite, nous, étions partis en Assemblée générale et on a créé ce, réseau. Et l'objectif de ce réseau, c'est de faire la promotion de la culture nigérienne. Ça, c'est l'objectif général. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler votre question parce que la question était voilà de, l'ancien ministère, mais, mais avant euh, rapidement euh, que comment percevez-vous ce nouveau ministère, le ministère de la Renaissance culturelle ah, c'est la bienvenue parce que nous euh, journalistes culturels, nous on était parti même on est en avance parce qu'on s'était dit avant la création de ce réseau, il faut qu'on se départisse des autres associations, du comportement des autres associations qui se limitent euh, au président ou au SG ou seulement au président. Ça veut dire que vous aviez euh, déjà, déjà une notion de renaissance. Mais bien sûr, nous avons une euh, notion de, de, renaissance, de changement de comportement. Il faudrait que tout ce que nous, nous posons comme acte soit transparent et que il faut aimer d'abord son travail pour réussir. Donc on va en venir aux forces et aux faiblesses de l'ancien ministère. Bon, il faut dire que au niveau des forces, nous lorsque le réseau a été créé, ils nous ont vraiment euh, impliqué dans beaucoup d'activités. La preuve, on était invités à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO, dans le cadre de l'inscription euh, au patrimoine mondial des expressions et pratiques de la parenté à plaisanterie. Alors le réseau a fait le déplacement. C'est moi-même en tant que président. J'ai accompagné le ministre, le, directeur du patrimoine culturel, également le DG de la culture. On était ensemble. Et on a. Ça veut dire que le, ministère de, la Culture et, des Arts d'antan, hein, donc, euh, se veut le mérite de l'inscription, donc, euh, de la parenté à plaisanterie. Oui, on peut le dire puisque c'est euh, à son temps que ça a été inscrit. C'est quand même euh, tout à, son honneur. Et vraiment, nous avions pris à chaud parce que nous, en tant que journalistes culturels, il faut montrer la visibilité de ce que nous avions vu là-bas, cette consécration nigérienne. Moussamani, euh, Moussa Mani, nous allons donc revenir à vous. Nous allons marquer une courte pause, le temps d'écouter deux autres réactions, celle du cinéaste de la première génération, Djingarei Meiga, et Beidari Yakuba, également cinéaste, mais de la génération actuelle. Un propos recueilli hier au Palais des Congrès de Niamey à la fin de la projection de, du film Cerveau Noir euh, de Djingarei Zingare un film qui parle de la vie des militaires, qui traite aussi des questions d'esclavage, un monde d'intrigues et de manigances. Es-tu sûr de ce que tu dis, mon commandant Oui, mon général. Il dit que les officiers supérieurs sont en train de détourner les biens des militaires subalternes. Il est sur le point de mener une mutinerie. Ils ont déjà organisé plusieurs réunions avec nous. Mon général, il faut vite agir et tuer le poussin dans l'œuf. Bon, le tournage, ça s'est passé en un an. Euh, rare que je fasse un film en un an. D'habitude, quand je commence un film, je le finis en deux ou trois ans. Par exemple, du Noir, quand je l'ai commencé, j'ai mis sept ans pour le finir. c'était au temps de l'AFC, il n'y avait pas d'argent. Après, c'était le temps de MNSD. il n'y avait pas d'argent au cinéaste pour travailler. Je n'avais nulle part, je n'ai pas des, aides de l'extérieur ni de l'intérieur. Euh, je me suis débrouillé moi-même avec mes moyens de bord. Quand je travaille sur un film, j'ai gagnais 200 000, 300 000, j'ai mis 100 000 francs sur le travail. Et c'est comme ça que j'ai fini le film en 7 ans. Et là, c'est différent ah, dans là, ce différent. J'ai commencé le film là en, en, 2000, en 2015 et je l'ai fini en 2015. Tout simplement parce que, bon, il faut le dire, nous avons reçu l'aide directe du président de la République qui nous a permis de travailler et je l'ai fini, je l'ai bien fini. Je suis content de, de le finir très vite. La seule chose qui, qui me gâte le cœur, il faut le dire, c'est le public qui ne vient pas voir ce film-là. Alors que les gens qui viennent le voir, ils sortent toujours satisfaits. Donc ça, ça me fait plaisir aussi. Tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a montré le chemin. C'est lui qui m'a dit voilà comment il faut agir. Et Dieu merci, j'ai pu faire euh, peut-être un peu à sa façon. Mais franchement, je me réjouis. Je me réjouis quand même euh, de la qualité de son travail. Petit à petit, je prends goût et je pense qu'on va aller dans, le sens de développer le cinéma nigérien. Dans ce film, je retiens deux, deux angles, deux sujets très importants. Euh, le premier sujet, c'est celui euh, du pardon. Le second, c'est celui de prendre l'engagement d'épouser une, une, servante, mhm. donc euh, euh, qu'on a calomniée, issue d'une famille esclave. Ces deux aspects est-ce que vous les défendez dans la réalité Oui, en toute vérité, c'est des, en tout cas, c'est des valeurs que je défends. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que le pardon. C'est grâce au pardon qu'on peut reconstruire, qu'on peut partir à zéro et qu'on peut développer. Et lorsqu'on parle de caste, je me dis qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui doit voir de l'avant pas regarder dans un, dans rétroviseur. On ne peut pas continuer à vivre, à aller de l'avant tout en regardant dans un rétroviseur. Et je me dis que effectivement, nous sommes dans un monde euh, entre guillemets civilisé qui doit laisser tomber certaines valeurs pour aller dans des valeurs beaucoup plus constructives, beaucoup réalistes, des valeurs qui peuvent aujourd'hui contribuer au développement socio-économique de notre pays. Djingere Manga est un, de la première génération, aujourd'hui confronté à une génération nouvelle de le, cinéaste, est-ce que vous pensez que euh, les films de Djingare Mega aujourd'hui permettent à cette nouvelle génération de prendre le lent pour euh, la relève du cinéma nigérien Vous savez, lorsqu'on fait un film, c'est parce qu'effectivement, on veut raconter quelque chose qui se passe dans une société. Et lorsqu'on regarde le film, le plus souvent, la meilleure façon de, de s'intéresser à un film, c'est de pouvoir se retrouver dans ce film. Le vieux Djingare, il fait des films qui nous montrent notre réalité, des réalités qui sont cachées, des choses qui sont là devant nous, mais dont nous ne sommes pas conscients. Et du coup, Tingaré montre notre quotidien et il nous fait, si vous voulez, il nous replace dans un contexte qui doit être le nôtre. Et quand vous parlez de la nouvelle génération, en cinéma, je ne vois pas de vieille génération ou de nouvelle génération. Moi, je suis réalisateur, j'ai un master de la réalisation. Mais aujourd'hui, je me dis que pour que je puisse me développer, il va falloir que je suive les anciens. Lorsque vous, vous suivez les bonnes traces, c'est que sûr, vous arrivez à une très bonne destination. À la fin de notre entretien avec Djingarei Mega, il a aussi exprimé sa peine quant à l'absence des autres médias et le désintérêt des médias nigériens pour le cinéma de leur euh, pays. Monsieur le ministre, vous venez d'entendre Djingarei Mega, la difficulté euh, de la réalisation des films, problème de financement. Et qu'en dites-vous euh, Permettez d'abord que je revienne un peu en arrière avant de me prononcer sur les propos de Djingarei pour dire vous avez entendu euh, le jeune euh, Bédard dire qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur parce que là, il parlait des choses qui sont tout à fait négatives, reconnues négatives, qu'il va, va falloir oublier pour euh, s'accrocher à des valeurs positives. je dirais que la renaissance culturelle euh, le conseille, le conçoit ainsi, mais elle conçoit également qu'il faut souvent regarder dans les rétroviseurs quand il s'agit des valeurs positives qu'on a tendance à oublier et qu'il va falloir ramener à la surface pour construire notre société. Donc, c'est vraiment des, des, des conceptions que nous intégrons dans notre problématique, dans notre réflexion et que nous allons essayer d'utiliser pour faire progresser c'est euh, la marche de la renaissance culturelle. Oui, euh, le cinéma nigérien, euh, au, titre, au même titre que tous les autres arts et, actions culturelles, traverse des difficultés de financement. Je crois que c'est le contexte économique même qui justifie en partie cela. Mais il y a également, je crois, beaucoup d'autres paramètres qui, dont certains sont liés aux acteurs, d'autres sont liés aux, politiques, je veux dire aux décideurs. Mais l'un de l'autre, je crois que l'idée c'est d'aller en avant essayer de, d'initier de, des réflexions globales pour que on puisse, dans le cadre, par exemple, d'une, des états généraux de la culture et de la citoyenneté que nous envisageons d'organiser en 2017, plaise à Dieu, que nous puissions faire une réflexion ouverte où il n'y a pas de tabou, qu'on se dise les vérités et qu'on fasse le diagnostic pour situer les responsabilités, la responsabilité des acteurs, la responsabilité des décideurs, la responsabilité du public et des médias. Et je pense que ça peut nous permettre de partir sur des bases euh, innovantes. Et aujourd'hui, euh, malgré Personnellement, je, je suis d'accord que l'économique est déterminante dans toute action humaine. Mais l'économique n'est pas indispensable. Il y a des petites choses qu'on peut faire avec euh, des, des, des, grands moyens. Je veux dire, on peut utiliser des grands moyens pour faire des petites choses et qu'on peut faire des grandes choses avec des moyens pratiquement insignifiant des petits moyens. Et c'est dans ce sens que je pense que nous devrons être innovants. La première euh, contribution de des décideurs que nous sommes, c'est d'abord d'être attentifs à ces acteurs culturels qui se sont sacrifiés, qui ont dédié leur vie pour la culture, et d'être attentifs, de les accompagner dans la mesure du possible, avant de mener une réflexion que nous sommes d'ailleurs en train de déclencher sur la création d'un fonds de promotion de, la culture qui pourra peut-être être la solution euh, par laquelle doit passer le le, rayonnement du cinéma, le rayonnement du théâtre, le rayonnement de la musique nigérienne. Et ça, je crois que ça fait partie de nos priorités. Monsieur, euh, monsieur le ministre, votre réaction me renvoie à une question, c'est celle de la modernisation sociale. Vous parlez certainement, c'est vrai, d'autres actions qui peuvent se faire sans le financement, mais en réalité, quand on parle de modernisation sociale, et, donc, je vous renvoie à la question est-ce qu'on n'est pas loin de, cette réalité Et comment euh, résoudre euh, ce problème de financement À aucun moment ici, peut-être, euh, vous, nous avez dit si le ministère verra son budget rehaussé. Vous savez, il faut beaucoup plus lier la question de, des moyens à la question de renaissance culturelle, c'est-à-dire euh, toute cette ambition de promouvoir la culture, de l'utiliser comme instrument de changement d'attitude et de comportement. Mais quand vous parlez de modernisation sociale, c'est encore beaucoup plus facile, à mon sens, parce que nous voudrions utiliser la modernisation sociale. L'outil principal, c'est, disons, utiliser la renaissance culturelle. L'outil principal, c'est la renaissance culturelle. On l'utilise comme outil pour aboutir à la modernisation sociale. Or, dans le sens que nous, nous lui accordons, la modernisation sociale voudrait dire que nous ayons une société à jour, nous ayons une société où les bonnes pratiques dominent les mauvaises pratiques, le, une société où la citoyenneté, le civisme, les valeurs religieuses, les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles que nous avons, qui sont déjà existantes et que certaines qui ont besoin d'être réveillées, puissent être mises à contribution pour que nous puissions vivre dans la solidarité, vivre dans la paix, dans la cohésion sociale. Donc vous voyez bien que, en ce sens, on a le moyen ou la ressource principale dont on veut, c'est d'abord la volonté politique, c'est ensuite la volonté des individus, leur acceptation et leur détermination à changer de comportement. Et nous savons que dans toute action de changement, il y a des résistances qu'il va falloir combattre et nous allons voir du de quelle manière le faire. L'un des outils que nous allons utiliser, ça sera certainement le, les outils juridiques, c'est-à-dire les textes réglementaires, le retour au respect des textes, parce que dans la plupart des cas, ce ne sont pas les textes qui manquent, c'est leur respect qui cause problème. Et nous allons veiller à ce que nous puissions trouver des moyens de faire en sorte que les textes soient respectés, que les lois, les règlements puissent être respectés et que nous puissions aboutir à cette modernisation sociale. Et la modernisation sociale, vous ne pouvez pas la prendre intrinsèquement comme ça sans que vous la liez à la modernisation de l'administration, c'est-à-dire la modernisation politique. Parce que le schéma classique, euh, et surtout fondamental, qui porte la vision du président Issoufou celui-là, de faire de la modernisation sociale, de faire de la modernisation politique et d'aboutir à la modernisation économique. la finalité, la finalité, c'est cela, c'est le bien-être économique de la population, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est un certain nombre d'améliorations de, de, dans le cadre de vie de façon substantielle. Monsieur le ministre, vous aurez le temps de répondre à cette question. Je la pose et je passe ensuite à Moussa Amani. Est-ce que le changement de mentalité ne passerait-il pas par euh, euh, une sensibilisation. Moussa euh, Amani. Je vais, je vais vous répondre. Vous savez, on a on a une présentation qu'on va vous faire, vous les journalistes, qu'on va faire à la société de façon générale, aux, jeunes, aux syndicalistes. Et dans cette, dans cette présentation, nous avons suivi le schéma classique. Lorsque notre ministère a été créé, on nous a donné un cahier de charges les attributions du ministère. Nous nous sommes basés sur ces attributions-là pour euh, déjà utiliser des travaux qui ont été faits en prélude à la création du ministère, parce que dès qu'on a commencé à parler de la renaissance culturelle pendant la campagne politique, les cadres du ministère se sont dit, ah, il va falloir donc intégrer cette nouvelle euh, notion dans les travaux qu'on fait. Et donc, après les attributions, nous avons fait une réflexion et nous avons élaboré une note de cadrage. Nous avons donc cette note de cadrage qui nous a servi à élaborer l'organisation du ministère. Et si vous voyez l'organisation qu'on avait, si vous voyez la note de cadrage, l'un des piliers principaux sur lequel nous allons nous appuyer, c'est la sensibilisation. Et nous avons même créé une direction de la sensibilisation et de l'éducation populaire. Parce que nous sommes un ministère qui doit aller vers la population, pas forcément avec la police. Je dis bien qu'on va essayer de renouveler les textes, de les actualiser, de les ramener en surface et de travailler pour leur respect. Donc ça veut dire que notre principal outil, ça va être la culture utilisée pour faire de la sensibilisation en vue d'aboutir au changement de comportement. Euh, Moussa Amani, la question de la formation des journalistes culturels, euh, Monsieur le ministre vient de le souligner, donc un document qui sera euh, remis notamment aux acteurs de la société civile, mais aux journalistes culturels. Est-ce que vous prenez en compte cet aspect de, de formation des journalistes culturels Mais oui, elle est primordiale. On ne peut pas atteindre son objectif tant qu'on n'est pas formé. Donc je pense que ce renforcement de capacité des journalistes culturels permettront de mener euh, à, bon port, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Donc je pense que ça, ça vient à point. Et comment comment est-ce que cette formation se fera Est-ce que ça servait des, ateliers Comment est-ce que le réseau pourra procéder pour former ces journalistes Oui, généralement c'est à travers les ateliers. Nous faisons des ateliers, nous organisons des ateliers. Déjà, nous, après notre Assemblée générale, notre première activité, c'était eh, une formation sur l'éthique. Donc, euh, on a formé nos, journalistes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et on a réitéré la même activité, n'est-ce pas, cette fois-ci en pratique. Donc, euh, c'est le ministre même qui a présidé la cérémonie la dernière fois. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel la formation des journalistes. Allez-y, monsieur le ministre. Vous savez, euh, l'un de nos partenaires euh, les plus immédiats, les plus proches, euh, ça va être certainement le réseau des journalistes culturels. Et donc, dans le cadre de ce, cheminement que nous sommes en train de nous imposer, après tout ce que je viens de dire, nous allons élaborer un plan de communication et un plan stratégique sur pas un an, deux ans, mais sur trois à quatre ans, voire même cinq ans, en vue d'avoir une feuille de route, une guidance qui va nous permettre de programmer des actions. Et quand nous allons le faire, certainement, certainement, que ce soit vis-à-vis des journalistes ou vis-à-vis des cadres du ministère, on va élaborer un plan de formation qu'on va, va mettre en œuvre. Au-delà des ateliers, au-delà des, forums, nous allons essayer de faire euh, ce qu'on appelle de la recherche appliquée parce que j'ai entendu un des, un des auditeurs qui disait qu'il faut prendre de l'extérieur des autres pays ce qui a marché pour l'adapter à notre contexte. Cela veut dire qu'on va faire des voyages d'études, on va les amener voir comment les journalistes assument leur rôle dans les autres pays et euh, importer ces traditions-là, importer ces aptitudes pour que nous les adoptions à notre contexte. Et cela nécessite un budget, monsieur le ministre. Oui, bien sûr, ça nécessite un budget. Je vais, je vais, parce que vous, c'est la deuxième fois que vous parlez de budget. Effectivement, à l'heure actuelle, le ministère de la Renaissance culturelle, je vais dire le l'ancien ministère des loisirs, euh, n'est pas euh, n'a pas connu euh, meilleure fortune que le ministère actuel de la Renaissance culturelle dans le contexte actuel parce que nous n'avons que trois ou quatre mois. Nous sommes dans le quatrième mois d'existence. Donc nous avons, nous sommes dans la phase d'élaboration du budget. Nous savons qu'on ne va pas s'attendre à ce que tout de suite que des sommes substantielles puissent être mises à notre disposition. Nous avons, en tant que ministère, le devoir de comprendre que nous devrons montrer où est-ce que nous allons. C'est un peu tôt de le dire en termes d'outils de, d'outils parce que je vous ai dit tous les outils qu'on doit élaborer. Nous allons montrer notre capacité capacité de nous organiser, notre capacité de nous doter des autorités et de justifier que nous avons besoin d'un budget. Et tout ce travail d'élaboration budgétaire est en train d'être fait. Nous avons déjà euh, un programme de renaissance sur au moins l'année 2017 qu'on va essayer de, quantifier pour avoir un budget. Et nous ne nous, décourageons pas, même si le budget qu'on nous donne est comme presque celui de l'année passée. Je veux dire, après le collectif budgétaire, nous savons très bien que la qualité du travail qu'on va faire, la qualité des outils qu'on va faire, la qualité des programmes et projets que nous allons élaborer pourrait attirer les, partenaires nationaux et internationaux et l'État pourra aussi mettre euh, la main à la poche pour que nous puissions atteindre cette ambition de faire la renaissance culturelle, de la renaissance culturelle une réalité. Et tout récemment, le Niger, à travers le musée Boubou Hama et la jeune réalisatrice Aïcha Maki, euh, ont remporté donc des trophées pour le Niger. Euh, qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le ministre ben, c'était le premier cadeau que j'ai eu quand j'ai été nommé ministre. Je crois que tous les Nigériens en étaient fiers, euh, euh, le président de la République, le premier ministre au premier plan. Et je crois que c'est cela qu'il faut. Il faut encourager l'éclosion des talents. Il faut encourager ceux qui font l'effort d'évoluer dans un secteur bien donné. Aïcha Maki, euh, le musée Bouba qui est d'ailleurs en collaboration avec, qui est en, partenariat avec beaucoup d'autres musées internationaux, sont des illustrations de ce que nous avons des outils de qualité qu'il va falloir restaurer, qu'il va falloir renouveler et peut-être même essayer de faire en sorte qu'on participe assez souvent aux compétitions internationales pour que nous puissions faire voir ce que nous savons faire. Et rassurez-vous, Aïcha Maki est invitée à trois autres événements en France. Nous sommes en train de voir comment on peut la faire participer à ces événements. Nous sommes en train de remplir les formulaires pour faire participer Aïcha et beaucoup d'autres cinéastes nigériens au FESPACO de 2017. Et je crois que c'est par cela que va passer <clears throat> la réussite. Parce qu'il ne faudrait pas se cloisonner chez soi avec ce qu'on fait il faut que l'extérieur euh, puisse savoir ce que nous faisons. Et mieux, ce que c'est par les chaînes internationales que nos, petits frères, nos enfants euh, consomment la culture. Donc si nous allons faire des, des actions de qualité, des, des, je vais dire des produits de qualité, ils vont être pris par ces chaînes-là et ça va nous revenir avec une porte peut-être un peu une plus grande audience que celle de, nos médias nationaux. Euh, le Niger est un pays qui dispose d'un patrimoine archéologique. Récemment, vous avez à l'exposition sur l'art rupestre. Je vous propose à présent d'écouter un extrait qui nous parle de l'art rupestre. C'est un entretien que nous a accordé Karine Diskevich, la coordinatrice de l'association Anigouran, une association qui lutte pour la préservation de l'art rupestre alors la rupestre, ce sont les gravures et les peintures qui sont gravées dans les roches, voilà, et qui sont souvent très anciennes. Au Niger, elles ont plusieurs euh, milliers d'années. Anigourane, c'est un grand personnage euh, mythologique du Sahara du Niger, et on considère que c'est ce personnage, Anigourane, qui a dessiné toutes ces gravures dans l'Aïr et dans le nord du Niger. Il y a des, milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de gravures euh, au Niger, et plus particulièrement dans le massif de l'Aïr et du Djado. C'est un très grand témoignage de l'histoire, un grand témoignage de l'humanité. On découvre dans l'Aïr des éléphants, des rhinocéros, des personnages un petit peu bizarres euh, comme des, des guerriers, des chasseurs. Et tout ça, très important d'être protégé et, et d'être euh, promu auprès, auprès des populations parce que voilà, c'est un grand patrimoine de l'humanité. Ces gravures, elles ont été faites pour les plus anciennes il y a 8000 ans et euh, pour les plus récentes, il y a peut-être 600 ou 500, 500 ans. Différents peuples se sont succédés et ont dessiné, euh, ont dessiné ces gravures. C'est une succession d'habitants et d'artistes qui ont réalisé ces gravures. Il y a 8000 ans, par exemple, euh, à peu près la datation des grandes girafes de Dabous, Ce sont des girafes qui ont été gravées à 130 km au nord d'Agadez. Et oui, effectivement, il y a, il y a 8000 ans et jusqu'à 6000 ans, la période était très humide, il y avait beaucoup de girafes dans la zone, avec des lacs, avec des poissons en abondance, des rhinocéros, des hippopotames, toutes sortes d'animaux. Le climat a était très différent de ce qu'il est euh, actuellement. Et euh, voilà, une, une, une, faune très, très importante. Effectivement, il faut, euh, on fait un travail de sensibilisation auprès des populations pour qu'elles, pour qu'elles protègent elles-mêmes leur, leur site d'art rupestre. Mais très rapidement, quand la population comprend ce qu'est cet art, ce qu'il signifie et son importance, ils sont vraiment les premiers acteurs pour protéger ces gravures et, et voilà, et, pour empêcher leur, leur dégradation. Donc oui, c'est très important de travailler avec les populations euh, locales pour la protection des sites, des sites d'art rupestre. Le Niger a sans doute le plus grand art rupestre euh, au monde et euh, d'où l'importance de, protéger ces sites. Annie Gouran, la coordinatrice de l'association, pardon, Karine Diskevich, euh, la coordinatrice de l'association Annie Gouran. Et donc, à cette exposition, Monsieur le ministre, vous étiez présent, mais également euh, Moussa Amani, le président du réseau des journalistes culturels. Mhm. Euh, et, dites-nous comment est-ce que cette association pourra peut-être travailler avec vous, vous en tant qu'acteur culturel, journaliste culturel. Oui, Marie, <clears throat> comme je l'ai dit, euh, l'objectif des journalistes culturels, c'est faire la promotion de notre culture. Alors, euh, ces gravures rupestres qui sont une fierté nationale, je pense que il faut les faire connaître à la population nigérienne, aux autorités. Et là, euh, vous me donnez l'occasion de parler d'un projet qu'on a élaboré dans pour une caravane de, presse qui va se rendre à, à Dabous n'est-ce pas, dans la région d'Agadez, faire des émissions, des reportages et, et comment s'appelle, en un mot, faire la promotion, de ces gravures rupestres. Voilà, donc euh, le projet a été euh, pistonné, comme on dit, par une lettre de recommandation du ministre euh, de la Renaissance culturelle. Et je pense que on souhaite que ça aboutisse pour que nous fassions la promotion de ce patrimoine culturel national. Monsieur le ministre, vous avez ce jour-là fait des promesses. Oui, vous avez donc annoncé je que. Vous la rappeler, la promesse principale que j'ai faite, c'était d'abord. Allez-y, euh, Monsieur le ministre. C'est d'abord que je visite ces sites-là c'est en bonne voie, mais c'est surtout de faire en sorte qu'il soit inscrit au patrimoine, au moins au patrimoine national et pourquoi pas au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, à ce jour, euh, les termes de référence pour euh, les, premières études de son inscription au patrimoine national sont élaborés ils me sont transmis par les techniciens et je promets que je ne baisserai pas les bras. Nous allons faire en sorte que ces, arts rupestres, que ces sites soient répertoriés, totalement répertoriés et effectivement inscrits comme nous le souhaitons. Là, là je pense que vous permettez que je dise qu'il y a beaucoup d'autres sites euh, anthropologiques qu'il va falloir euh, visiter, qu'il va falloir euh, ramener, j'aime bien dire, à la surface. J'étais récemment à Dosso et j'ai vu une jarre qu'on appelle silo, une jarre euh, dans laquelle il y a au XVIIIe siècle nos aïeuls mettaient de, des coris, des coquillages, des semis. C'est une jarre à vide, elle pèse 90 kilos. Je sais que la plupart des Nigériens ne savent pas son existence Elle est exposée au musée de Dosso. Et il y a une autre, euh, un autre site où on a découvert des jarres semblables qui ne sont pas encore extraites du sol dans la région, dans le département de Loga, entre Loga et Dosso. Nous avons promis de faire en sorte que nous nous rendions sur le site pour voir exactement de quoi il s'agit. Il y a d'autres petits sites comme ça qui sont, euh, de mon point de vue, euh, inspirateurs, qui sont importants, qu'il va falloir euh, revaloriser. Et pour cela, nous allons nous mettre la main dans la main avec le milieu de la recherche, notamment la recherche anthropologique, pour qu'on puisse mettre en valeur ces sites archéologiques qui vont contribuer à enrichir nos musées. Nous avons déjà au musée national les, les, les, ossements des dinosaures euh, renouvelés rénovés et reconstitués grâce à l'appui des Américains qui sont là, aussi géants qu'ils ont existé. Et c'est autant de, merveilles qu'il va falloir que les Nigériens découvrent, que les Nigériens Et je ne terminerai pas sans vous dire que le projet de, de, de l'association des des journalistes culturels euh, de, de, de, faire cette caravane est un projet que nous allons accompagner, en tout cas en fonction des moyens que nous avons, parce que ça va permettre de, de connaître davantage ces sites et de, de leur donner la valeur qu'ils euh, méritent. L'une des grandes préoccupations de Karine, c'était la disparition donc euh, des girafes de Taboussa. Oui, euh, je sais que, euh, comme j'ai dit, qu'on va le, on va faire tout ce, ce, que je viens de dire en rapport avec le monde de la recherche. Cela veut dire qu'on va trouver les voies et moyens de les conserver, de les revaloriser, peut-être même de les rénover si ça ne perdra pas de la valeur. Et euh, cela, je crois que s'impose au moment où nous voudrions retourner dans le passé pour conserver nos valeurs historiques, pour ramener les valeurs qui ont fait leur preuve. L'art rupestre est quelque chose qui peut inspirer les jeunes peintres les jeunes artistes et ça peut permettre également de, d'intéresser les régions, de faire un lien direct entre euh, la culture et le tourisme, bien que ce lien a toujours existé malgré la création des ministères différents. Et cela permettrait pour la région d'Agadez, par exemple, qui souffre aujourd'hui du manque de tourisme du fait de l'insécurité qui avait sévi, que cela va permettre de ramener le tourisme euh, culturel, de ramener le tourisme tout court euh, à la mode et de faire en sorte que son exploitation puisse avoir des retombées économiques. Donc vous voyez les liens de fil à on est en train de mettre euh, tout un réseau en place euh, dans le cadre de la renaissance culturelle. Euh, Moussa Mani, les journalistes culturels ou bien le, le, le même secteur de, eh, de la culture, mais plus précisément les journalistes culturels connaissent un problème. Eh, le, plus souvent, ils sont laissés eh, pour. On dit que euh, le journaliste culturel n'est pas euh, un journaliste qui est, qui est beaucoup apprécié, comme le journaliste politique et autres. et, pourquoi est-ce que vous avez vous vous êtes penché sur cette question? ça c'est une très belle question. Euh, euh, ça me permettra de dire que la renaissance culturelle qui est là va corriger tout, tout cet art. Parce que la culture avant est reléguée en second plan. Quand on dit culture, euh, les gens fuient parce qu'ils ne gagnent rien dedans. Est-ce que c'est pas parce que, est-ce que c'est pas parce que les journalistes culturels eux-mêmes quelque part ont des, ont des tares, ont des difficultés? Est-ce que c'est parce que eux-mêmes font preuve de, d'absence? Oui, ça peut s'expliquer également, mais Dieu merci aujourd'hui, avec ce que nous, nous avons entamé, comme, euh, je ne parle pas de négociation, mais de contact avec euh, nos confrères, maintenant ça marche. ils sont optimistes aujourd'hui, ils ont compris que euh, la culture est incontournable dans la vie d'une nation. nous restons encore quelques minutes, Monsieur le Ministre. Juste un mot. En fait, il faudrait aller au fond de vos idées parce que c'est pas parce que c'est votre domaine que vous faites la, gueule de bois. je pense que le, problème que connaît le journalisme culturel, il est identique à tous les autres journalistes. On a beaucoup plus de journalistes politiques que de journalistes culturels ou de journalistes sportifs parce que peut-être là-bas c'est sensationnel, parce que peut-être là-bas ça rapporte mieux dans un contexte nigérien que nous connaissons. Mais il faudrait dire quand même que euh, la, la spécialisation fait défaut dans le journalisme au Niger. On n'a pas de journalistes véritablement d'investigation, on n'a pas de journalistes économiques et c'est un défaut, c'est un, euh, je crois que c'est un déficit qu'il va falloir creuser en encourageant les jeunes journalistes à aller vers cette spécialisation-là qui va leur permettre d'être beaucoup plus vifs, beaucoup plus euh, pointus dans leurs questions, dans le traitement de l'information, dans sa diffusion. Et je crois que c'est un problème que le ministère de la Communication, que le ministère de la Renaissance culturelle, pourquoi pas, parce que nous avons une vertu transversale, pouvons examiner objectivement et voir comment on peut apporter des débuts de solutions à ces problèmes. Mais pour ma part, le journalisme culturel, euh, au même titre que la culture qui est en train d'être ramenée au devant de, l'action du gouvernement, va trouver une place qui n'a pas de, par le passé. C'est une promesse que je fais. Vous me prendrez au mot si jamais je ne me pose pas d'actes qui vont dans ce sens. Monsieur le ministre, à quoi sert la culture dans un pays comme le Niger qui est confronté à tant de défis Comment ne pas vous rappeler cette belle citation d'un des, des, auditeurs qui a cité, qui, l'a ramené, une belle citation que tout le monde connaît. la culture, c'est ce qu'on a lorsque on a tout perdu. Je crois que c'est là, ce n'est pas simplement un slogan, mais c'est une vérité parce que faut pas réduire la culture à la danse ou à la musique ou au cinéma ou non. La culture, c'est tout ce que nous avons comme attribut, les interdits, les valeurs, les autorités, tout ce que nous avons, euh, les, les, tabous. Hein. Donc cela, c'est notre vie, notre façon de nous habiller, notre façon de nous regarder, notre façon de nous saluer. Il y a des pays dans lesquels on ne sert pas les mains, c'est leur culture. Donc tout ce que nous avons comme euh, ce qui nous définit, c'est cela notre culture. Et je pense que si on accepte la culture comme cela, on ne doit pas poser une telle question. Et même si on la pose, je crois, on doit admettre que euh, c'est peut-être fait parce qu'on connaît déjà la réponse. Monsieur le ministre, et les populations, elles pensent à autre chose. Par exemple, on dit qu'un ventre vide n'est pas un ventre qui est libre, un homme qui a faim donc n'est pas n'est pas libre. Comment eh, une population qui se trouve dans la vulnérabilité peut peut-être penser culture mais je pensais que j'ai déjà fait le lien entre la culture, l'économique et le politique tout à l'heure parce que j'ai parlé de la triptyque de modernisation sociale, modernisation politique, modernisation économique. Et la, la renaissance culturelle n'est qu'un aspect de la vision globale du président de la République, n'est qu'un aspect de notre action gouvernementale. Je crois que vous êtes au courant qu'il y a moins d'une semaine, nous avons signé un, partenariat avec le MCC où près de 400 millions de dollars ont été donnés pour renforcer l'initiative 3N. Nous sommes l'un des rares pays qui dispose d'une stratégie comme celle-là c'est vrai qu'elle vient d'être adoptée, c'est bien qu'elle n'a pas encore de, résultats que les gens veulent voir, parce que généralement au Niger, nous sommes pressés d'avoir les résultats au lendemain d'une action, mais rassurez-vous que la politique agricole, la politique culturelle, la politique sociale, la politique de l'emploi, tous ces, toutes ces politiques sectorielles vont contribuer à ce qu'on soit d'abord autosuffisant du point de vue alimentaire, qu'on soit indépendant dans nos esprits et que nous soyons des citoyens des parties de tous les actes inciviques que nous sommes en train de vouloir combattre pour que nous ayons une société Monsieur le ministre, vous avez trois minutes euh, et comme vous savez le faire, déjà, on a noté quelques promesses que vous avez euh, déjà faites et chaque fois, on va vous prendre au mot comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez euh, nous faire des promesses en, termes, bien sûr, de cette renaissance culturelle Concrètement, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre vous savez, la renaissance culturelle a mis aussi un accent particulier sur la reconnaissance. Cela veut dire que tout citoyen nigérien qui a posé un acte ou qui est en train de poser des actes doit être reconnu, doit être, euh, je dirais, salué. Nous avons déjà fait le centenaire du président Jory. Nous allons bientôt, comme à l'accoutumée, fêter euh, le 23 août qui est la date anniversaire du décès de Taya, mais nous allons faire quelque chose de particulier cette année parce que nous allons mettre à profit cette date-là pour, euh, une, pour baptiser le pavillon euh, des, instruments traditionnels de musique, pavillon Mamangarba, qui est décédé, qui a élaboré une thèse qui nous a permis de répertorier tous ces instruments, de les recenser et de les amener dans ce pavillon. Nous allons aussi, euh, on a des propositions d'organisation des semaines du cinéma nigérien. Ça va être l'occasion de faire des échanges, de faire des conférences, mais surtout de ramener des, des acteurs culturels qui ont tendance à disparaître, de les ramener pour les reconnaître et euh, leur, dire merci pour ce qu'ils font pour la culture. Nous avons un forum que nous allons organiser sur euh, le dialogue, la paix sur la paix et le dialogue intra et interreligieux en octobre prochain. Grâce à la collaboration de la CDAO, nous avons, nous avons, nous aurons beaucoup de choses et cela, je crois que c'est faisable parce que dans la plupart des cas, certes, on a besoin des moyens, mais la volonté est là, elle nous soutient, elle nous donne l'espoir et je vous fais la promesse qu'on va réaliser ces actions. Moussa Amani, juste en quelques secondes, un dernier mot avant la fin de cette émission. Nous avons juste quelques secondes. Non, moi, <clears throat> je dis que moi, je suis satisfait de, des réponses euh, qu'a donné le ministre euh, par rapport, n'est-ce pas, à l'accompagnement du réseau des journalistes culturels. Nous n'avons pas grand-chose à dire, mais nous sommes prêts à travailler main dans la main pour que la Renaissance culturelle devienne une réalité. Merci beaucoup. Vous étiez donc au forum du studio Kalangou. Le studio Kalangou recevait pour vous le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, le président du réseau des journalistes culturels du Niger. On se retrouve demain à la même heure. Merci beaucoup.